qui 2017 beaucoup na ci lancement financement sous le mutuel de santé moom mooy sunu séyéen tay mangi taxaw fi di engager wu au nom de la fondation Youssou Ndour à parrainer l'adhésion mangi parrainer li nga xamé ni que moy mooy mi da xalé yi nga xamé ni que yépp ñi ngi nekk ci école bi Samba Ndiéri Diallo fondation Youssou Ndour dina jël pour enrôler leen pour dugal leen

di seen xarit Moustapha Guèye bi nga xam ne ñu ngi teew te décidé na moom tamit seet ñi nga xam ne ñooy mbër yi ñi yàgg ñi ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement pour dugal leen enrole le pour que ñu tamit ku ci nekk enrôler pour jeexal maa ngi woo secteur privé ñu ñëw wuy si ma si lii ndax lii rek moo jar a wér gi jar yaramu askan wi du affaire u état kese affaire u képp kuy mindeef la affaire képp koo xam ne da nga yore entreprise ndax RSE am na solo waaye xoola ko jiitu te Sénégal ay borom xol ñoo fi nekk kon na maa ngi woo sama naatangoo yi ñu yore entreprise ñu nga yore dañu yore industrie ñu ñëw fekk ñu ci lii pour que ñu mën a atteindre objectif bi lu moo gën a gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw ndax ñi nga xamante que yàlla daf leen teg ay laago ñooñu tey waruñu sentir wéen ci biir société bi donc solidarité rek mooy tax ñu mën a La CMU est un avantage pour l'ensemble des Sénégalais. Un pays doit être de bonne santé. Les populations doivent être de bonne santé. Et pour être en très bonne santé, il faudrait nécessairement disposer des outils qui permettent aux populations non seulement de pouvoir accéder aux soins de santé de qualité sur un plateau technique réalisé par l'État, mais aussi les voies et moyens nécessaires pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire à travers soit le système de gratuité, comme l'offre la CEMI, mais surtout par le système assurancier, par les mutuelles de santé. Et dans cette dynamique, en suivant les traces de Yusundo, personnellement, je me suis engagé à prendre en charge mes écoles primaires. L'école Mission catholique de Velengara, là où j'ai passé une partie de mon école primaire. L'école Makodunyaï Ndiolfen de Saint-Louis, pareil. Et l'école aussi régionale de Kédougou. J'en profite aussi pour lancer un appel à l'ensemble de mes collègues ministres, aux directeurs généraux, aux présidents de conseils aux patriotes, aux hommes d'affaires, pour qu'ensemble nous puissions accompagner cette dynamique pour atteindre l'échelle en 2021 ou même dépasser cette échelle. Je pense que c'est une dynamique assez importante lancée par l'Agence de la communauté maladie universelle sous la houlette de son directeur général, le docteur Daf. Euh, ensemble, dans la solidarité et dans l'équité, puisque l'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est donner, disons, en, euh, mettre, en priorité ceux qui n'en ont pas, Pour donner le maximum à ceux qui ont le minimum, Pour donner le minimum à ceux qui euh, n'ont rien du tout. Donc, dans cet élan de solidarité et d'équité, je pense que nous allons pouvoir atteindre les objectifs et le présent a montré la voie à nous, population du Sénégal, de suivre cette voie.